Moutarde Chef Aïda, goûte et apprécie. moi, mon triangle de l'écran fromage ou l'écran buy T'es si te bàyyeekoo bonheur. meew bu neex ànd l'écran Filme Megel bi Le meilleur goût du chocolat, c'est mon choco. Existe aussi en verre. CCBM, industrie automobile, distributeur des marques Volkswagen, Aval, Credwell, Chérie, Lovell et Sinotroc. Un service à private de qualité avec un dépannage mobile 7 jours sur 7. Un matériel électroménager de haute qualité, résistant, robuste et simple d'utilisation. Choisissez Westpool. Soklin, technologie pour baisse, le plus arôme resto sauce soja resto Moui Les garçons, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est un papa qui se dit Ça, <laughs> c'est mon fils. Sunushopping.com, le marché digital qui vous simplifie la vie. Rendez-vous sur comtrip.sn. Réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. Radio 96.1 encore plus proche de l'info Avec Radio Le le Une femme, un mari remercie ses partenaires stylistes Afux Chalab, Andrea Setou, Complex Sofia, Karija et Hadija. T-Design,

Ëllëdë vëmatë sëraj so kune të nga warë Fërë Don ki nga donë Dagul Bul de courage, Bul de courage Mais a të kënderu Bul Bull de courage, Bul de courage Mais a të kënderu khëllë Une femme mai Def mon favori Numéro 1 et comme demain on se voit, en venant, tu amènes les documents de ta maman pour le passeport diplomatique que tu m'avais donné. Hmm? Oui, effectivement, j'allais m'en aller. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir c'est bizarre hein. Khalat dinañ endroit bu Melni. c'est juste que Awa c'est une amie de longue date donc c'était juste une visite euh, courtoisie daal. que tu à Bruxelles. Ouais, effectivement la c'est que j'ai eu un petit souci familial donc euh, j'étais obligé de venir mais ça s'est bien passé Demain, il y à 2h du matin vol baa ngi non annulé ko. nga ni. dama am suba ay investisseur yu ma recevoir te bëgg naa sa présence. D'accord monsieur le président. dinaa wax Nour mu notifié la euh, dès ce soir Inch'Allah..! bien compris monsieur le président. ak ou c'est seqatu dara wala sequ leen dara ne Je pas. nëbb dara Je ok alright. Lamine le la Je sama ex mais depuis un moment il veut revenir Il may teg pression tout le temps. mais mais du dara. Lo Lo calm down okay xam naa lépp kii Madou Fakk la kii mos a wax ay waxam fii dinaa rek lay compte maa la ko wax gëm ma man ak yow loolu moom fii ni tey tam kon li mu la waxoon keroog je t'aime te du ma gis lan moo tax ak kan moo tax mu séparé ma ak yow. Man, j'ai peur. Hey, hey, hey. C'est normal, une dame. Elle est en train de défendre ses droits. non, c'est dara. Je pas ce que Voilà, fille. y a fini. OK Je t'aime. Et je n'ai aucune envie de te perdre. Qui ne c'est aval non mais bébé franchement octobre bi dafa confortable bon, dara ah là là Je vais ma wàcc ok vas-y je prends..! ak sacrifice yu ñu defandoo ngir yegg si fii tey li ñu diggee woon mooy xeex ba noonu du ñu taatee alhamdulilah franchement nag dama kontaan bébé li dafa ëpp yow de dese rek koy daj takkul dina toof ku mel ni yow fan laa koy jëlee

c'est que niñ commencé la ma duma la mën gëm instant yi mom gëm naa ne da nga nopp femme li début ba du léegi man jël naa ndox ci baat bu yàgg dama la sentirul dara tay xale bi li xale bi nekk fi mais yaay ma ngi nii mal dëgg loolu géej am na ndox waa kon jéexal boy jéer ma day gën a xalil boy bi oto la ko jëndal <laughs> ndeysaan booy li nañu wax ne yàlla buy defar day mel ni kuy yàq boy te du ñaa yaa leen doon ànd boy ci karapit yi booy bi di la paasal <laughs> léegi yàlla may na ko nag ku gën teggil ko souffrance yooyu yëpp nga ko doon defal lui a donné un gars bien je te jure boy Dieu juste wala sa yow sa copain bu nekk ci problème yow nga war ko soutenir nga nekk fi di ma kaañ quoi boy sa copain bu nekkee ci problème da nga koy wax dëgg ba pare après tu sais que je te soutiendrai toujours quand même bah, t'inquiète, tu auras des jours meilleurs. Mais pour l'instant, bah, ne pas forget quoi. jamais de la vie. Tu n'a pas faté. Man Dieu n'a pas besoin. Voilà que ñom da ngay dugg ci couverture damay ñuux ba ci biir Je Tu sais Je ne sais je suma maté day dag t'as des problèmes mon frère Salut chérie, tu vas bien Ça va bien, merci. mal civilisé rek Moi, il si bravo fauteuil. depuis 5 manques, ngi wax depuis 5. Doudou fauteuil bi édition limitée Ben, benn rek y en a pas deux te sama xaalis mon ko jëndu le Samir yow tamit correct touti. Bravo fauteuil de pour toog. c'est la dernière fois la fii moom dootuma toog dama c'est que dafa am lu ma ko expliquer si la voiture toog nii tàyyi ma ko sax mais dama doon dem nii tu es nga xaar man invité Hein? Tu es man. li sérieux un peu invité tu restes déjeuner on va manger ensemble. d'accord. Tu <laughs> li dañ koy invité elle a le son chaud mais elle est douce tendre comme comme. c'est que sa ji yow canapé c'est fait pour s'asseoir. Oui. Bah, tout tranquille avec fauteuil Oui, booy man sax bu je siy toog damay Tu mais comment tu fais pour supporter ta femme. l'amour est aveugle et sourd mon frère. mais ne mu pas lay tapé loolu l'autre. voilà. contrôle toi a une idée. Mm-hmm. Doudou Ça donne du goût. Bon appétit. Merci. Et Doudou, tu as des nouvelles de Diana loolu rek laa yàqamti woon nga laaj je te l'apprends pas Amgani nga ni élément c'est mort maintenant ah si Bob l'a réalisé ni man Diana Mon règle la bëgg

elle a trouvé un bel homme qui s'occupe d'elle. Ce que toi, tu n'as pas su faire, Yotami. T'as fait le con. Et surtout, ce que toute belle femme veut. Oh. Justement. C'est que je te conseille. C'est-il <laughs> Canada? Justement, c'est de ça qu'on était en train de parler tout de suite, Balangéno. Mmh. Ouais. Tu nous le DP, vous savez, Ramon. Vous savez, bah, comment

yow xam nga ni sama rakk ji xamone nga ni li ding ko am machallah chaque jour mo wax la ko nga xam nga ni auto bi Khalil jox la danga ko mérité waa Khalil mi lu mbok ak Askia Touré. Fama bi laay doon it mais bon tu sais Fama du sax alal bi mais en fait cette envie qu'il a à me rendre heureuse xam nga lolu rek en fait c'est beau man lolu moma ma jaaxal Fama man mosumaa gis ko ma bëggee ni Khalil. xanaa xamoon ne yàlla suy defar day mel ni ku yaax coono bi nga daj ci duudu yëpp fale yàlla wan na ne la duudu rek du fi góor xam nga ban jigéen laa gën a yërëm jigéen bi nga xam ne ku góor ki dala jàppee morsophobie rek nga ne yow soo ko bàyyee dee gis nga kooku noonu am na keneen ku ko yàlla tegal ci wet gi koo xam ne bu ko ja bu ko amoon princesse la koy def urul ay ni la koy def buy dem da koy yóbbaale lu mu xam wax ko te lu mu am jox ko njëy naa li may dund dafa neex de man xam nga sama slogan lan la jigéen jamaa la jigéen or la jigéen moo gën a précieux ci lu yàlla defal góor gu ko xamul ma teg la ne le mu jeex gis nga xalil mii duma leen jàppal ma ko sa ñaari loxo dama la naan nga àbbal ma yeneen téeméeri loxo jàpp ko bu mu dëgër bugguma sa nga téye ñaari loxo. bul jaaxle mais bon parlons d'autre chose Fama man Aji Fatou dama koy wóor mais du ma jël. yow Dieng lan moo tax nga mën génn gaam. ku la bàyyi nga may tuddal waxu traitre boobu noonu. traître. Aji xam nga lan la def. mais la moo xew. Aji Faat sax du traître fii traître la Aji Faat am la def réeral suñu données yi tas association bi ndekete Aji Faat daf ñu nëbbu boppam. nga ne ma. <laughs> waaye méttiwul de Aji dina xam ne woyu bànnee baayam <laughs> nag moom ndeysaan dafa réere benn mbir maa jotam rek. Tama, tama. Non, bi Non, a toog. Ako la taw bi taw bi taw. Taw bi dama temps. Ci temps laa ko Non booy la bêtise a un nom quoi. Du du fait des vidéos non yow c'est terrible quoi booy. xoolal ma lii rek waxoon naa la ko de booy j'ai la femme la plus merveilleuse vraie jekk là. Chérie, je dis ça à tout le monde tous les jours. Cey Ray hein? ah glaçon bi sax de dafa am mhm. Mhm. comment. quoi eh! lan la boy dëgg ëppal yow non c'est pas possible quoi. non c'est pas possible mais un vrai bêtisier ambulant chaque jour il faut nga def bêtise. Tu Il yow doo jël li nga ko ci table da nga bi ci 我还中走路。 mi comida punyu ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? Japal majapanyo anda Pagkananyo langga buku siya felalol di nama takkan mabung cepat Diri menyu anda Wahai bumusay tubuhnya Loy taway tano Bago mga ganyo ay Puljay sa tano Alada pa mata soray Nit ko ne tangawara Ferre kham tinga don Dagul pan lalo bebo coragem, de coragem. Mais atacando o rol, de coragem, de coragem. Mais atacando o rol, fama mãe.